donc nous avons nga conseil départemental Nous avons si sunu compétence transférée Nous santé Nous euh, avons euh, conseil de la commission santé conseil réunir Nous nous de def dégager déjà le premier pas dégager 3 millions

donc you faut que les gens nit dañ tout le temps gel pour que vraiment population a en même temps de cela euh, euh, en tant que tamit citoyen 2 euh, millions tamit poche jappalé ci askan wi ah, tamit contre le coronavirus donc di tamit

gis nañ ne doomu Mbuur yi ba ñu jógee fële euh, université yëpp ñëpp dañ daje ay plage nañu bàyyi plage yi bàyyi ay match de football ñuy def bàyyi entraînement yi ñuy def bàyyi loolu yëpp ñuy def loo xam ne dafa am regroupement nañ ko bàyyi te nañu changé suñu comportement bu ñu jël affaire bi dafa ne affaire bi euh, garaawul mbir mi dugul si na fii biir Mbuur parce que am na ñaari cas donc ñun Mbuur nga xam ne euh, fii la tourisme daf dafa dafa dafi taxawee donc dafa am beneen taxawaay bu ñu war a am